Nigérien, nigérien, mes chers compatriotes, pour la prospérité de la culture, le studio Kalangu présente. L'artiste s'exprime. Et tous ça la fada est une émission spéciale consacrée à la jeunesse du Niger, repartie dans les quatre coins du pays. L'artiste s'exprime est une rubrique de cette émission citée en début, une rubrique qui donne l'opportunité à nos artistes de s'exprimer. Donc, nous parlons ici de l'art et de ceux qui le pratiquent. Nous avons l'habitude de recevoir sur cette émission des artistes chanteurs, danseurs, écrivains, peintres, cinéastes, comédiens. Il n'y a jamais un sans deux. Aujourd'hui sur ce numéro, mesdames et messieurs, les ans de gentlemen, nous allons recevoir dans quelques fractions de secondes un artiste humoriste, influenceur. Il occupe la toile. Eh, il est connu de tous. Mais sur cette émission, nous allons euh, plus parler de lui pour permettre à tous qui kiffent cette émission, comme je l'avais dit à l'instant, dans les quatre coins du Niger, à travers nos 46 radios partenaires et à travers nos sites télévisions savoir un certain nombre de choses sur Issa Libouris. Yes. How do you feel, mon frère? Comment tu vas? Je vais bien, très bien. Dis-moi que tu pètes la forme, s'il te plaît, ou bien c'est la forme qui te pète. J'ai la forme, mais je l'ai pas pété. Ou bien tu pètes la forme. J'ai la forme, mais je l'ai pas pété. Tu l'as pas pété. <laughs> il a la forme, mais il l'a pas pété. Vous avez certainement compris. Ah, ça va bien? Oui, ça va. Ah, super. Euh, tu as la forme, tu l'as pas encore pété. Mm. Donc du coup, ça Tu préfères garder la forme et ne pas la péter. Super. Garde ta forme alors, parce que tu as besoin d'énergie sur cette émission. Issa Limouris, aujourd'hui, nous allons parler de toi pour permettre bien évidemment à tous tes fans, permettre à tous qui aiment ce que vous faites déjà, d'avoir un certain nombre d'informations sur toi. Alors Issa Limouris, parle-moi de Issa Limouris. À l'état civil, comment est-ce qu'on t'appelle À l'état civil, on m'appelle Issa Barmou Issa Barmou est né en quelle année en 97. Donc ça fait quoi 24 ans. 24 ans. 23 ans. 24 ah bah. <laughs> ans. Ça moi que tu poses la question. <laughs> ah, la question. Moi, je sais que je suis né en 97. Ouais, c'est ça, tu, te fous de ma gueule, quoi. Non. Mais tu, tu, c'est moi qui pose la question si tu as 23 ans ou 24 ans. Non, tu es en train de te foutre de moi, Issa. Tu sais, les mathématiques là, c'est pas mon truc. <laughs> mais, je sais que je suis né en 97. 1 plus 1. 2. Ça, tout le monde <laughs> c'est mathématique aussi. Alors, Lisa, je c'est la bienvenue. Alors, tu vas me parler, euh, n'est-ce pas, un tout petit peu euh, de comment est-ce que tu es venu hein, euh, dans la comédie, hein, parce qu'on sait déjà qu'aujourd'hui, tu es humoriste confirmé sur les réseaux sociaux, tu es un influenceur. Moi, personnellement, je te suis et je sais que la jeunesse nigérienne aussi, une partie de la jeunesse nigérienne te suit et te kiffe déjà. Parlons un tout petit peu de tes débuts sur cette émission, c'est important pour permettre aux jeunes de plus te connaître. Ouais. Donc, j'ai débuté la comédie, c'était en 2016. 2016 2016. Ok. Quand j'étais encore en terminale. Quand tu étais en terminale En terminale. Donc, on avait commencé avec des amis qui sont encore à Maradi. Là, on avait une chaîne YouTube qui s'appelait euh, Colomnia Fada Gidanko. Fada Gidanko. Inane Kohan Gidanko. <laughs> Jacques, c'est la Fada. Quartier oui, oh, la Fada, c'est quoi C'est quel quartier C'est quelle région C'est à Maradi, Maradi, au quartier Bourja, juste derrière la gendarmerie. Derrière la gendarmerie, quartier Bourja. Mhm. Fada, quoi, Didam Fada, quoi. Donc de là. Vous... On a commencé et après, il y a eu le bac. Ok, vous avez commencé quoi Avec les amis avec... c'est à la Fada, tu viens, comme nous, on présente l'émission à la Fada, vous venez, non. tu fais rire tes potes ou. Euh, explique on, filme avec les, téléphones avant. Ah, ok, vous faites même des. Des euh, vidéos, oui. Maintenant, normalement, quand tu vas sur ma, sur ma chaîne YouTube, oui? il y a encore d'autres vidéos. Vidéo de Maradi. De Maradi, Ok, ah, donc après, il y a eu le bac. eu, le bac. Euh, J'ai eu le bac les autres ont échoué. <laughs> non, mais c'est pas <laughs> c'est quoi ce délire eh? C'est quoi ça Mais, non. <laughs> Eh? Oh, je hmm? sais. Tout est permis pour l'humoriste. Hein. Il a eu le bac, il a réussi les autres ont échoué. Ok, et pas de si Tu as eu le bac, les autres ont échoué. Et d'autres encore un échoué. On, est ici. Ah ouais, bah, bien sûr. Hmm. je ne suis pas le seul à être ah, voilà, bien sûr. Ah, ah, ah. Donc, quand on a fait ça, après, il y, a ceux qui sont partis euh, au Sénégal, il y a ceux qui sont partis en France et tout ça. là. Moi, j'ai dit, je vais rester au Niger. Ah, ok. Tu vas rester au Niger et pourquoi Pour continuer ce que tu as commencé oui, Parce que j'avais l'amour de la comédie. Ah, c'est la, comédie, la comédie qui t'a fait rester ici au Niger Qui m'a fait tu, tu avais la possibilité de bouger, mais tu te dis, dit, euh, bah, bah, je dois rester euh, pour au moins apporter un plus à ma culture. Oui, en étant en France, aux États-Unis, ou bien en Algérie, au Maroc, je ne pourrais pas peut-être faire ce que j'ai envie de faire. C'est ça qui t'a donc motivé, euh, qui t'a plus motivé. Et tu as pris ton inscription à l'université de Niamey Non, non. Ok. J'ai fait l'inscription à super. Donc, euh, on va parler maintenant un tout petit peu euh, des difficultés. Ah, parce qu'on euh, ne manque pas de difficultés. Tu me disais que vous avez commencé avec le téléphone. Et hors antenne tout à l'heure, je savais poser un certain nombre de, euh, de, questions. J'ai senti que vous rencontrez quelques difficultés, euh, n'est-ce pas, dans l'exercice du métier. Parce que c'est un métier, la comédie. Vous faites plaisir aux gens, euh, le rire guérit. Et nous, ça nous fait en tout cas plaisir de vous voir tout le temps sur les réseaux sociaux. On ne s'ennuie pas avec vous. Hein. Issa l'humoriste, tout comme fait dans un deuxième angle, on va parler de ta page et de tes projets, de tout ce que tu as déjà de disponible. Mais pour l'instant, parlons des difficultés que vous avez l'habitude de rencontrer, les difficultés que vous rencontrez présentement dans, dans dans, ce que vous faites Ouais. Bon, Les difficultés, il y en a vraiment une tonne. Il y a, un cahier de 300 pages. <laughs> cahier de 300 pages. Eh, il Issa assaini. Euh, ou Fabega, cahier de 300 pages. Mais il veut énumérer les difficultés <laughs> euh, qu'il rencontre dans l'exercice du métier. C'est pas du tout chose facile. Je sais, je sais, je sais. donc, euh, ce qu'on rencontre souvent, c'est le, manque de ah, manque de quoi D'acteurs. D'acteurs. Mm, si tu remarques, c'est. Mais généralement les, mêmes. Pas vous les mêmes acteurs ou bien Oui, c'est ça, généralement c'est les mêmes acteurs. Ok. Mais on veut d'autres têtes, tu vois, dans les Ah, pour avoir plus de. Pour avoir plus de, visibilité, peut-être. Quand toi, je te fais, je peut-être tu es mieux que ceux avec qui je, je travaille. Mais toi, tu m'as jamais sollicité, je pouvais. Oui, c'est ça. C'est ce que je t'ai dit. Ou bien il me faut. Après, après, il y a les filles aussi qu'on ne trouve pas facilement. Quand tu dis à une fille de venir faire une vidéo comédie, elle va penser que c'est le problème où vous allez faire <laughs> <laughs> c'est pas bon. Eh, tu abuses, mon frère. Il y a, ceux qui regardent ça comme si, sérieusement, c'est comme si c'est tellement nul. Tellement c'est pas bien. C'est pas bien. elle peut même s'imaginer des choses, quoi. je préfère m'aller faire ça que faire, faire, du porno. <laughs> <laughs> non, mais c'est pas possible, <laughs> mais c'est ça aussi, l'humouriste. Donc, du coup, ça fait partie de difficulté. Parlons de la production. La production Et là-bas, vous n'avez pas de difficultés Non, on a, sérieusement, sérieusement des, difficultés. y a Une équipe derrière vous ou bien vous faites les choses C'est nous-mêmes. Tu vois, quand par exemple on filme, quand c'est une caméra ici, quand moi je suis pas derrière le plan, hein? toi on prend, c'est toi qui filmes. Donc c'est là que vous n'avez pas la possibilité d'avoir tout le monde dans le tout. Il faut que quelqu'un soit ah euh, derrière la caméra. Donc quand on vient en plein d'ensemble, même s'il y a un passager qui passe, en dessous de le <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> J'aime bien ce garçon, mesdames et messieurs. Ah, franchement, il faut vraiment qu'il y ait de 300 pages. tout à fait ça, il y en a Non, vraiment, il y a tellement de, soucis. Mais financièrement, vous vous retrouvez à quoi bat quoi Ça va Ça va Ça peut aller. Ça peut aller. Ça va Ça, peut aller. Ça, fait aller. deux. Ça fait deux. Ça donc une ironie. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. C'est que je ne sais rien. L'ironie socratique. Alors, nous sommes pratiquement à la fin, euh, n'est-ce pas, de cette rubrique consacrée à la jeunesse nigérienne. Nous sommes pratiquement à la fin, bien évidemment. C'est pas de... plus important ça <laughs> C'est une radio. Mais ça vient faire quoi ici Bon, juste pour euh, Kagani, ça vaut dans hein, ma hein? Et donc, j'ai pour m'impressionner, tu veux m'intimider quoi. Oui, oui. Par, exemple, ceux qui regardent peut-être ça veut dire que je pas le droit d'aller chez ta nana, quoi. Voilà, tu as tout compris. Yeah, yeah, le Covid. <laughs> le COVID. Merci en tout cas, Issa euh, Mais avant de finir cette rubrique, est-ce que tu as un mot à, lancer euh, à l'endroit de cette jeunesse, à l'endroit des personnes qui peuvent vous accompagner Parce que tu as énuméré quelques difficultés. Et nous, si tu veux en question la mission, euh, euh, n'est-ce pas, de la machine et des humains qui sont de l'autre côté, c'est de vous donner non seulement la visibilité, mais de vous apporter aussi un soutien. Le soutien qu'on peut vous apporter, c'est d'énumérer les problèmes et les difficultés que vous rencontrez, comme ça, ceux qui regardent cette émission. Pour permettre, bien évidemment, à ceux qui suivent, en tout cas, de vous accompagner ok, s'il le faut financièrement, moralement, par des et tout ce qui va avec. Alors, ton message est. Euh, à mon nom, président du rythme du Niger, ah, <laughs> euh, président de la FADA. Ah, de du Président de euh, Président de rythme du Niger. Oh, Vas-y. Président de rythme du Niger. autoproclamé président de rythme du Niger. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, veuillez recevoir chez vous le président de rythme du Niger. Voilà. Donc, euh, le soutien qu'on veut, c'est pas le soutien que vous connaissez déjà. C'est le soutien financier, le soutien moral, mhm. le soutien peut-être de partage. Vial. Vial, voilà. <laughs> de vie, <laughs> tu vois. Le soutien de vie, le soutien de partage, de commentaire. Tu vois, souvent quand on fait des vidéos, quand tu regardes, même si ça te plaît pas, tu n'as pas rigolé, il faut souvent commenter. Commenter et tu l'as tu commentes, tu, Ça va permettre à d'autres personnes de voir. savoir. Parce que souvent quand je mets une vidéo sur Facebook, peut-être quand même toi si tu mets une vidéo sur Facebook, quand il y a peut-être 100 vues, il y a deux commentaires. Facebook va dire que non, voilà, cette vidéo n'est pas intéressante. Il n'y a que deux personnes qui ont commenté. Ah. C'est pas intéressant. Ils vont pas montrer ça à d'autres personnes. Ah. C'est ça qui ah, bloque les... Euh, ah, Mais quand il y a de l'interaction, il y a beaucoup qui commentent, qui, et ils montrent la possibilité à d'autres de voir. c'est comme ça que ça se passe. Donc, votre force, c'est les réseaux sociaux. C'est les réseaux sociaux. Pour l'instant. Merci pour le message. On se donne rendez-vous dans deux. Saison 2 là. Saison 2. Ouais. C'était donc euh, Issa Limouris, mesdames et messieurs, sur l'émission Franco euh, Aoussa, présentée par la Miss Rim. La continuité de l'émission Tous à la Fada, c'est dans un instant. On se prend donc au plaisir de demain. Même heure, même fréquence, c'est que la donne qui va changer. Sur ce,